le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du le forum du le forum du studio le forum du le forum le forum du le forum Il est 18h15 à Niamey, l'heure du forum Dissidio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme Dissidio Kalangou qui sont diffusés en direct par 38 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum Dissidio Kalangou a pour thème Mendicité dans la ville de Niamey quelle réponse face à l'ampleur du phénomène La mendicité n'est plus permise dans la capitale nigérienne. Les rues, les carrefours et les places publiques seront désormais interdits aux mendiants. À la suite de la réunion de concertation, il ressort des différents échanges trois catégories de mendicité autorisées par la religion musulmane et la loi. Une pauvreté extrême des personnes handicapées, et très âgées, personnes très endettés ou ayant subi une catastrophe, indiquent les autorités dans un communiqué. Selon la note, les trois catégories de personnes reconnues comme mendiants doivent se replier au niveau des lieux de culte et des centres sociaux. Quant à la mendicité des enfants mineurs, elle est strictement interdite et les parents ou tuteur encourt une peine de six mois à un an de prison selon le code pénal. Avec euh, nos invités, nous allons chercher à comprendre l'ampleur et la persistance du phénomène de la mendicité dans la ville de Niamey, les propositions et les différentes mesures prises pour y remédier. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir au téléphone Mohamed Al-Fazazi, conseiller en éducation urbaine du président de la délégation spéciale de la ville de Niamey, Mohamed Al-Fazazi. Bonsoir. Bonjour, monsieur. Dans Firoun secrétaire général de la Fédération nigérienne des personnes handicapées. Dans Firoun bonsoir. Bonsoir. Cheikh Barham Aboubakar Hassoumi, prédicateur en islam et président du comité de dialogue inter et intra-religieux, euh, c'est dire Cheikh Barham Aboubakar Hassoumi. Bonsoir. Bonjour à tous les auditeurs de Kalango et révérend Barazé Gergou de l'Alliance des missions des églises évangéliques du Niger et en même temps trésorier général du Comité national du dialogue inter- et intra-religieux, euh, révérend Barazé Gergou. Bonsoir. Oui, bonsoir. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Mohamed Al Fazazi, je viens de faire la genèse de l'interdiction de la mendicité pour une catégorie de personnes dans la ville de Niamey. Est-ce que cette décision de la ville de Niamey est respectée aujourd'hui Bonjour, euh, chers euh, auditeurs du studio Kalangou, chers membres de cette plateforme euh, d'aujourd'hui. Je vous remercie. Depuis l'annonce de l'arrêt par rapport à toutes les personnes non autorisées, nous avons continué à sensibiliser les mendiants pour qu'ils puissent respecter la procédure ou pour qu'ils puissent respecter l'arrêté du maire président de la délégation spéciale de la ville de Niamey, monsieur Mokhtar Mamoudou. Donc, euh, si vous faites un tour euh, au niveau de la ville de Niamey, ce phénomène a significativement euh, été réduit et lié à ce courage autoritaire pour mettre fin effectivement ou réduire significativement ce phénomène. Donc, pour nous, Aujourd'hui, il y a eu vraiment une euh, forte diminution de la pratique de la mendicité dans la ville de Niamey. Mohamed Al-Fazazi, pourquoi interdire euh, la mendicité dans la ville de Niamey pour une, certaine catégorie de mendiants ce n'est pas nous qui avions euh, empêché ou interdit cette pratique, non. C'est la religion et c'est la loi. Comme nous avons déjà des grands oulémas sur la table, nous avons réuni toutes les parties prenantes, les oulémas, les leaders religieux, les leaders d'opinion, le procureur de la République, et chacun a montré que la mendicité n'est autorisée que dans trois cas. Et même au niveau, des autres religions, c'est démontré que la mendicité n'est autorisée que dans trois cas. Alors, nous, ville de Niamey, nous avons simplement appliqué la loi qui date de 1963. Ça, c'est la loi. Depuis 1963, elle est prise et elle interdit la pratique de la malicité que pour ces personnes-là. La religion, depuis le temps de notre prophète Mohammed, la mendicité, elle est interdite. Alors, pourquoi fermer les yeux sur une pratique interdite Non, nous devons prendre ce courage-là prendre une décision interdisant ce phénomène-là. Et ce phénomène aujourd'hui s'est dégradé. Certainement, nous allons revenir dans les débats. Aujourd'hui, ce n'est plus une mendicité connue dans les années 1980, c'est une mendicité commerciale et professionnelle. Alors, où on va face à cette, euh, à cette professionnalisation de cette mendicité en métier, c'est vraiment dangereux et c'est ce qui nous a poussé effectivement à mettre fin à la pratique euh, de cette mendicité dans la ville de Niamey. Et ça, pas parce qu'il y a d'autres qui pensent que ça serait juste pour une courte durée. Non, nous avons prévu une éradication définitive de la mendicité dans la ville de Niamey pour tout le temps, pour tout le temps bien sûr. Alors vous avez, c'est pourquoi vous avez constaté les rencontres pour que nous tous nous soyons imprégnés de l'ampleur de la chose pour que nous puissions réfléchir des dispositions à prendre et pour que nous puissions sensibiliser ces mendiants-là d'abandonner la pratique. Maintenant, ceux qui refusent, effectivement, nous avons prévu un cas où ils doivent être retournés chez eux et un autre cas où ils doivent apprendre les métiers. Ça, je reviendrai certainement euh, dans les détails euh, au niveau de ce plateau-là, Inch'Allah. Mohamed Al-Fazazi, est-ce que aujourd'hui la ville de Niamey a les moyens pour faire appliquer cette décision? la ville de, Niamey est une euh, autorité municipale. Donc, euh, la ville de Niamey a effectivement les moyens et c'est pourquoi dans ce que nous sommes en train de faire, nous, nous vous avons officiellement dit là où les mendiants non autorisés qui refusent l'application de la, loi, voilà là où nous allons les amener pour les apprendre les métiers parce qu'ils doivent être des enfants responsables ou des personnes responsables. Ceux qui ne sont pas aussi toujours autorisés, voilà là où la procédure, parce que nous allons les faire retourner chez eux après identification de, des services compétents. Il faudrait que vous soyez identifiés, connus transférer et après au niveau de votre euh, région ou de, votre département, là-bas aussi, ça serait une prise en compte des autorités, toujours après à travers l'identification. Donc tout ça est prévu parce que la loi prévue même une interdiction euh, formelle de séjour à Niamey pour ceux qui refusent. Donc je dis et je le répète, la ville de Niamey actuellement a les moyens de faire face à cette problématique de mendicité dans la ville de Niamey. Mais n'empêche, vous vous rappelez, nous avons fait appel à toutes les ONG, toutes les bonnes volontés de venir en contribution, en réflexion, en moyens matériels, en moyens financiers pour qu'ensemble nous puissions éradiquer. Parce que ensemble nous sommes plus forts. Raison pour laquelle la ville de Niamey a vraiment tendu la main à ses oulémas, a vraiment tendu la main à tout ce que, je viens de citer là pour ensemble juguler cette crise dénommée la mendicité dans la ville de Niamey. Mohamed Al-Fazazi, comment vous allez procéder pour faire le tri de ces mendiants Parce qu'il y a une certaine catégorie de mendiants qui sont autorisés à mendier. N'importe qui peut faire. Si vous voyez aujourd'hui, c'est vrai, maintenant il y a une réduction significative sur les, les carrefours au niveau des places publiques. Mais c'est simple, quand vous voyez un enfant ou les, les, les enfants mendiés, tandis que pour les enfants, c'est interdit. Quand vous voyez, c'est des femmes en, en, très bon état qui mendient, ça veut dire que c'est des personnes non autorisées. Ça, c'est des exemples. Quand vous voyez des hommes valides qui mendient, c'est non autorisé. Donc c'est facile de faire le distinguo entre les personnes autorisées et les personnes non autorisées. Dans Firoune Moukela, euh, secrétaire général de la Fédération nigérienne des personnes handicapées, la fédération a-t-elle participé à la réunion de la ville de Niamey Merci au studio Kalangou pour m'avoir donné cette opportunité afin de participer à ce débat très très important pour répondre à votre question, je dis oui, la fédération a été saisie pour participer au cadre de réflexion dans le cadre de la lutte contre la mendicité. Et c'est à travers la section de Niamey. Nous avons des sections dans les huit régions et c'est la section de Niamey qui a à prendre part à cette euh, réunion. Dafirono Moukela, quelle est la position de la fédération au sujet de cette décision de la ville de Niamey interdisant la mendicité pour une catégorie de mendiants Pour tout vous dire, euh, Dieu merci, puisque aujourd'hui les personnes handicapées ont pris conscience ils se sont réunis en organisation à travers des associations, des groupements, une fédération ou même des fédérations parce que nous avons aussi une fédération pour le sport. Euh, vous savez, comme on le dit, la main qui donne, c'est la main qui domine. Donc, euh, personne ne choisit de subir une domination juste du fait qu'on essaie de vous tendre quelque chose qui ne peut même pas vous permettre de souvenir à vos besoins vitaux. Donc euh, nous ne sommes pas d'accord, nous n'avons jamais encouragé la mendicité au sein de nos militants. Au contraire, nous les avons toujours fait comprendre que tout être humain qui a été créé par Dieu doit manger à la sueur de son front. Et chacun a un plus à apporter. Donc du coup, notre combat actuel que nous sommes en train de mener, dans le cadre de la réalisation de nos droits en tant qu'êtres humains d'abord, c'est pour que nous et les autres personnes non handicapées puissent comprendre que nous devrons avoir une place conformément à l'humanité. Pour apporter notre pierre à l'édifice. C'est-à-dire, nous sommes aussi des acteurs de développement. Nous ne sommes pas là pour être pris en charge. Dans Firou Moukaila, aujourd'hui, qui et qui sont les mendiants qu'on rencontre dans les rues à Niamey comme tout citoyen qui vit à Niamey, nous avons plusieurs catégories. Vous avez des personnes valides vous avez des personnes vulnérables, vous avez parmi ces groupes vulnérables des personnes handicapées que nous croisons dans la ville de Niamey en train de mendier. C'est une question que je me dis qui n'épargne personne. Toutes les couches sont représentées dans ce phénomène-là. Je ne sais pas si la question porte précisément sur les personnes handicapées. Ce que je, veux dire, certes, nous avons des personnes handicapées qui ont leur source de vie, la mendicité. Alors à ce niveau, une question doit se poser. Est-ce un choix ou une volonté les deux questions ont, ont des réponses précises. Il y a ceux qui n'ont pas de choix parmi nous. Ce que nous, nous appelons les personnes qui portent un handicap lourd, qui, en âme et conscience, ne peuvent pas se nourrir à partir de leurs e-, propres efforts. Alors, est-ce la mendicité la solution Quelque part, oui, si la société les abandonne, elle se trouve dans l'obligation de mendier. Puisque nous avons vu, là où la bonne volonté y est, Lorsque les populations se sont données pour empêcher ce phénomène, des réflexions telles que la création des centres de redistribution ont été organisées. Vous avez parlé tout à l'heure à travers euh, Mohamed Al-Fazadi de l'identification. Nous, pour l'identification des personnes handicapées, c'est très simple. Nous avons une direction régionale ici à Niamey de la population qui travaille avec les cinq arrondissements communaux. Et au niveau de chaque arrondissement communal, nous avons un représentant de, de cette direction-là. Dès que l'État décide de porter un appui à l'endroit d'une catégorie de personnes handicapées, c'est toujours les services sociaux-là qui se donnent pour l'identification, pour confirmer réellement d'abord le type de handicap et la nécessité d'assistance ou pas. Donc, si la société aujourd'hui accepte, au lieu de jeter ce matin, je sortais de chez moi vers le marché Boncané, je vis une personne dans un taxi qui a jeté de la pièce pour une personne euh, handicapée à titre de low-monde. une pièce, et en plus jetée. Vous voyez que le respect de la dignité humaine n'y est pas. Cette personne-là, si elle a été identifiée, ne serait-ce que par un ou plusieurs euh, habitants d'un quartier, et qui essayent de l'apporter ce qu'ils peuvent, s'ils constatent que réellement ils ne peuvent pas apprendre. Parce que ceux qui peuvent apprendre, nous les avons, ils sont, ils sont réunis dans des différents centres de Niamey. Ils produisent des articles, beaucoup de produits qui malheureusement ne sont pas consommés par cette même population qui continue à faire un regard sur le handicap, pas sur ce que nous pouvons apporter dans le développement de la société. Alors, si j'arrive à exposer des produits qui ne sont pas vendus, j'avoue que je serais tenté d'aller dans la rue pour pouvoir mendier parce que je ne veux pas regarder les autres manger et moi mourir de faim. Cheikh Braham Aboukar Hassoumi, comment l'islam aborde la question de la mendicité Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala ashraf al-anbiya wal mursalin, Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa bad. La position de l'islam euh, par rapport à la question de la mendicité est très claire. Vous l'avez cité. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait « Al-yadul uliya khayrun min al-yad sufla » La main haute est meilleur que la main basse, c'est-à-dire la main qui donne, est meilleure en mérite que la main qui, euh, reçoit. Il dit aussi quelque part c'est-à-dire le croyant fort est meilleur en mérite que le croyant faible. Donc euh, l'islam n'encourage pas cette euh, mendicité. Vous-même, à l'introduction, mhm. vous avez cité trois catégories de personnes qui sont autorisées à mendier s'il le faut, si nécessaire. Vous n'êtes pas sans savoir que l'islam est organisé socialement de sorte qu'il y a ce qu'on appelle Beit mal le trésor public. Euh, c'est une banque, ça peut être d'argent, de vivres, d'animaux, de tout ce que vous voulez, euh, d'habillement, de tout ce que vous voulez, qui est là pour venir en aide à ce genre, à cette catégorie de personnes. C'est pourquoi dans la philosophie de l'islam, il n'est même pas prévu que les gens mendient. Mais on s'est rendu compte qu'il y a des cas de force majeure qui font que même le trésor public n'est pas toujours garni. Il y a des périodes de guerre où vraiment il n'y a rien au trésor public. Et ces gens-là, donc, comment ils vont faire Donc, l'islam a assoupli en disant bon, voilà les situations dans lesquelles on peut mendier. Vous avez cité les trois catégories de personnes, mais ces trois personnes n'ont pas carte blanche pour mendier tout le temps. Pour faire de cela une profession. Bon, j'arrive même pas à là d'abord. Oui, c'est-à-dire que vous avez le droit juste de mendier pour la situation donnée. Vous avez cité quelqu'un qui est endetté, non Dès que la dette est épongée, vous n'avez plus le droit. Ce serait un crime si vous continuez à mendier. Vous êtes un handicapé lourd, comme l'a dit notre frère. Vous n'êtes pas soutenu par la société. Vous n'avez pas quelqu'un qui, qui, vous soutient. Le qadi, c'est-à-dire le juge, vous autorise. Donc là, vous voyez, comme il a parlé d'une de, de, structure au niveau des communes, donc toujours la société ou bien le pouvoir doit réguler ces choses-là. Donc le cadi, il vous autorise à mendier. Mendier comment Vous allez mendier dans le strict cadre de vos subsistances quotidiennes. Si c'est un kilo de riz, ou bien si c'est, disons, si c'est 1000 francs ou bien 500 francs qui vous suffit pour manger dans la journée, vous avez le droit de mendier juste dans cette proportion-là. Vous ne pouvez pas dépasser votre pitance quotidienne. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire C'est-à-dire que vous allez mendier uniquement pour obtenir votre puissance du jour. Pas chercher la pitance de demain. Ça, c'est une affaire de Dieu. Si vous êtes croyant, vous devez laisser Dieu vous montrer d'abord le lendemain. Et si vous n'êtes pas arrivé jusqu'au lendemain. Donc, euh, l'islam interdit que vous professionnalisez, comme vous l'avez dit, ce, métier. Il y en a même qui cherchent des trucs pour construire des maisons. Il y en a qui veulent des voitures. Donc, ce euh, c'est pas vrai. L'islam dit que si vraiment vous êtes dans une situation où vous ne pouvez plus subvenir à vos propres besoins, demandez juste pour gagner votre pitance du jour. Euh, référent Barazekergou, comment le christianisme aborde-t-il la question de la mendicité je vous remercie beaucoup pour euh, cette opportunité qui me permet en tout cas de parler de comment le christianisme aborde euh, le sujet de la mendicité. Ce qui est sûr, c'est que la plupart de ce qui a été dit vient de la Bible, parce que là-dedans, tout est en tout cas euh, mis par rapport à comment nous devons supporter ceux qui se trouvent dans le besoin. Mais ce qui est sûr, la Bible ne recommande pas qu'on fasse de la mendicité une profession. La Bible aussi nous recommande en tout cas à aider ceux qui se trouvent dans le besoin. Par exemple, un passage qui disait comment est-ce que vous allez faire si quelqu'un vient vous trouver pour dire euh, voilà j'ai faim, j'ai besoin de telle telle chose. Maintenant vous allez seulement prêcher à cette personne là pour lui dire va chercher. La Bible a dit là vous n'avez alors que vous avez tout le nécessaire. Là vous n'avez pas bien fait. Donc il faut pourvoir aux besoins de la personne. Et d'ailleurs, dans la Bible, il y a une place réservée à ceux qui se trouvent dans le besoin. Par exemple, lorsque vous récoltez vos aliments, il est dit de ne pas tout prendre, de laisser des gerbes dans les champs. Ça, c'est pour les veuves, les orphelins et ceux qui se trouvent dans le besoin. Donc, euh, pour nous, en tout cas, le christianisme, nous reconnaissons qu'il y en a ceux qui se trouvent dans le besoin et il y en a aussi euh, ceux qui, en réalité, euh, n'ont pas besoin qu'on les aide parce qu'ils ont la capacité de faire quelque chose. Donc euh, la Bible n'encourage pas la mendicité. Plutôt, la Bible encourage euh, d'abord la société. Ça commence par l'individu d'abord. Si votre handicap ne peut pas vous empêcher de faire quelque chose, allez-y le faire pour pouvoir vous nourrir jusqu'à aider quelqu'un d'autre. Ensuite, la Bible encourage la famille. La famille à prendre en charge à celui qui se trouve dans le besoin. Parce que pour nous, africainement, c'est une honte dans le temps qu'on voit un parent dans la rue en train de, mendier, mais c'est toute la famille qui sera blâmée. Donc la famille s'organise et elle prend cela en charge. Je me souviens dans mon village, il y avait quelqu'un qui avait 12 enfants. Alors lui, sa femme presque chaque, année, euh, alors il ne peut pas nourrir ses 12 enfants qu'est-ce que les gens de notre quartier ont fait C'est qu'à la récolte, chacun s'organise pour lui amener une boîte, deux boîtes de mille. Et finalement, il se retrouve avec 300, 400 boîtes de mille. Et ça lui a permis, en tout cas, d'avancer. Et maintenant, c'est un des plus riches de notre village. Vous faites allusion à la solidarité. Là, ça, c'est la solidarité. Donc, la Bible encourage la solidarité. Ne fermez pas votre porte à celui qui se, qui se trouve dans le besoin. Donc, c'est très important. L'autre côté aussi, il y en a encore euh, là où la Bible a prévu quelque chose pour ceux qui se trouvent dans le besoin. Dans les dîmes qu'on amène à Dieu. Dieu a dit la dîme m'appartient. Je la donne donc à ceux qui travaillent dans ma maison. Maintenant, ceux qui travaillent dans la maison de Dieu doivent penser aux veuves et aux orphelins et même aux handicapés lourds, comme euh, notre frère vient de le dire. Donc, euh, vraiment, la Bible pense aux handicapés, et la Bible aussi encourage que nous puissions aider nos semblables. C'est là la preuve de l'amour. Et la Bible veut que nous puissions le faire, de ne pas fermer la porte à celui qui se trouve dans le besoin. Voilà ce que je peux dire par rapport euh, au christianisme. Euh, référent Barazakergou, qui et qui sont habilités à mendier euh, selon la religion chrétienne, selon la Bible Il y en a ceux qui peuvent se débrouiller, ceux qui peuvent travailler, ceux qui peuvent apprendre quelque chose ceux-là n'ont pas besoin de mendier, parce que vraiment, euh, mendier, en quelque sorte, c'est comme se mettre sous euh, la puissance de quelqu'un d'autre. Et ça, ça ne, ça ne donne pas une euh, certaine gloire à la personne. Et personne ne va vouloir, n'est-ce pas, rester sous la domination de quelqu'un d'autre. Bon, il y en a, comme notre frère l'a dit, ceux qui sont vraiment euh, dans une situation très très difficile. Ils n'ont personne pour les aider et leur force, leur euh, physique ne les permet pas de travailler. Alors à ceux là, il faut que les parents, donc euh, s'ils en ont, sinon c'est le public qui doit en tout cas s'organiser pour pouvoir aider ceux qui se trouvent dans ce genre de situation. Cheikh Barhama Aboubakar Hassoumi, face à de tels comportements et la persistance du phénomène de la mendicité dans la ville de Niamey, qu'est-ce qui est recommandé Moi, je ne veux pas qu'on limite ça seulement à la ville de Niamey. Hein. Au Niger Oui, parce qu'on parle de ce que les religions ont décrété. La mendicité, si c'est mauvais à Niamey, elle est mauvaise à Zender, elle est mauvaise à Difa, elle est mauvaise partout. Comme l'a dit Pasteur Barajé, nous, quand on était enfants, on connaît que deux catégories de personnes qui mendient deux seulement. Ou bien c'est des gens qui ont un, handicap lourd, en général des non-voyants, que nous on connaissait, des non-voyants. Même les handicapés locomoteurs sont très rares de le voir mendier. Ils sont soutenus par leur famille. Oui, ils sont soutenus par leur famille. Donc, oh, oh, en général, c'est des gens non-voyants qui mendient. Moi, dès quand j'étais enfant, que je connaissais, chaque mendiant était non-voyant totalement non-voyant. Pas quelqu'un qui a perdu un, œil. Non, ce n'est pas un handicapé qui ne peut pas travailler, celui-là. Donc, oh, la deuxième catégorie, ce sont les talibés, les petits talibés qui sont à l'école coranique. Donc, oh, c'est des gens qui sont là pour apprendre le Coran, ils sont souvent... Ils sont loin de leur famille. Ils sont généralement avec les marabouts qui va de village en village. Euh, dans certains villages, ils restent quelques mois. Donc, euh, forcément, ils vont partir mendier. C'est pourquoi ils ont cette, ce petit gobelet. Donc, euh, ils vont de maison en maison, ils prennent de la nourriture, ils viennent, ils donnent d'abord à, leur maître, ils mangent un peu, après ils leur donnent, ils mangent. C'est comme ça. Ils ne vont jamais chercher de l'argent. De sorte que la société a ça tellement qu'il y a des maisons où les femmes, après avoir fait leur repas, euh, mettent de côté un plat en attendant, en prévision de ces gens-là, de ces enfants-là qui passent. Et on enlève, on leur donne. Il y a vraiment beaucoup de maisons que moi je connaissais où vraiment il y a un plat spécial euh, euh, réservé, pour les réservé pour les talibés. Donc c'est quelque chose qui, a été un peu régulé et ils ne demandaient jamais de l'argent. Jamais, jamais. Ils venaient juste pour chercher à manger et retourner à leur école. Donc voilà le, genre de euh, mendicité que nous, on connaît jusqu'à là. Donc euh, aujourd'hui, avec euh, le phénomène qu'on voit dans la ville de Niamey, vraiment, moi je dis que c'est une honte. C'est une honte pour toute la société d'accepter ces choses. Il faut appliquer ce que dit notre Coran, nos religions. Du moment que l'islam a catégorisé, a dit voilà, voilà, donc il faut réglementer. Il faut épuiser tout ce que le Coran, l'islam a dit d'abord. Si les gens débordent, Maintenant, il faut faire des lois qui réglementent. Pourquoi Les personnes vulnérables euh, qui ont besoin de mendier, c'est des gens qui méritent notre compassion, notre soutien et notre respect, comme l'a dit notre frère. Et notre respect, on doit les respecter, c'est des humains. En plus, ils ont été éprouvés. On doit vraiment les respecter. De sorte que dans le Coran, vous allez voir que Abasa c'est une, une sourate où Allah a presque blâmé son prophète qui, une fois, un mendiant était venu l'embêter alors que lui était très occupé. Le mendiant l'embêtait, euh, il s'est fâché un peu, il lui a tourné le dos. Et Allah a fait sortir une sourate, descendre une sourate tout de suite pour dire Ah, tu te crois meilleur que, que ce, mendiant Pourquoi tu t'es fâché Pourquoi tu lui tournes le dos etc., etc. Donc Dieu a blâmé le, prophète. Alors que c'était un mendiant qui avait vraiment le droit de mendier. Donc, oh, la mendicité, même ceux qui sont autorisés à la faire, doivent la faire dans les règles. Actuellement, quand tu viens au niveau des feux rouges, tu vois quelqu'un qui vient toquer sur ta, vitre. Mais ça, c'est une agression. Moi, vraiment, je l'ai toujours dit, mais ça, c'est une agression. Nous qui donnons là, même si vous êtes assis là-bas, nous, on va vous chercher. Mais si vous venez, tu es en train de parler avec quelqu'un ou au téléphone, quelqu'un est en train de te parler, de te, de te saluer, de te dire, il n'entend même pas que tu sois dans les dispositions de, l'écouter. Donc tout ça, c'est des agressions. Et aussi, ils doivent vraiment, s'ils sont autorisés à mendier, à le faire sagement, euh, à savoir qu'il y a des comportements. Donc tout ça, là, moi, j'ai dit, il faut les organiser. S'ils ont des structures, comme l'a dit notre frère, et ils ont leurs structures, il faut que chaque catégorie ait leur structure où vraiment, non seulement on leur apprend ce métier, que c'est pas bon, si tu as un enfant quelque part, même si tu as un handicapé lourd, si tu as un enfant quelque part qui t'envoie de l'argent, pourquoi tu continues Et que tu dois faire ça sagement. Et que voilà ce que dit le Coran, l'islam. Voilà ce que dit euh, euh, la loi du pays où tu es. Il y en a qui transportent ça jusqu'à. Moi, j'en ai vu jusqu'en Côte d'Ivoire, du Nigériens. À la Mecque, il y a plus de Nigériens et de Nigériens. Tous les mendiants sont Nigériens et Nigériens, je m'excuse de le dire. Ça fait honte. Il faut forcément que l'État sévissent, pas seulement à Niamey, mais partout. partout Il faut pas que. ce qui s'est passé en Algérie. Le ne peut pas exporter des mendiants. Révérend euh, euh, comment expliquer la persistance de la mendicité à Niamey malgré cette décision d'interdiction Bon, moi, ce que je peux dire, euh, c'est que nous assistons à une période où les gens ne craignent plus Dieu, ne respectent plus les livre saint, nous assistons à une période où l'individualisme est en train de gagner et de régner. les gens ne, ne pensent plus qu'à eux seuls. Et finalement, nous assistons également à quelque chose de très dangereux, c'est l'amour de l'argent. C'est l'amour de l'argent parce qu'il y a beaucoup de mendiants, quand vous leur donnez la nourriture, ils refusent et ils disent non, non, c'est l'argent qu'ils veulent. C'est devenu maintenant, en tout cas, une profession. Quelqu'un m'a dit un jour, il a surpris euh, deux femmes, donc euh, mendiants. Une a dit, ah, ce mois, je n'ai pas gagné grand-chose. C'est 70 000 francs seulement que j'ai eu. Allez-y dire à cette femme-là maintenant de cesser de mendier. Vous voyez, ça devient un problème. En réalité, ce phénomène, euh, il va avec euh, le temps. Nous sommes dans une période vraiment de la fin des temps pour nous. Une période où la crainte de Dieu est en train d'abandonner euh, les gens. Une période où la valeur même de l'individu, de l'être humain, hein, est en train, en tout cas, de s'effriter. Donc, euh, il est temps que les gens puissent revenir à eux-mêmes euh, et qu'ils puissent vraiment réfléchir. Parce que les mendiants que nous rencontrons, moi j'ai pitié surtout des petits-enfants. Les accidents au niveau, en tout cas, des carrefours, ensuite leur avenir. Un petit enfant qui est habitué à mendier, il ne sera pas, en tout cas, un homme et de même, une petite fille qui est habituée à, mendier, ben, elle ne va jamais rester dans le foyer. Elle va toujours chercher à sortir. Donc, euh, vraiment, c'est un avenir sombre qu'on est en train de préparer à tous ces enfants-là que nous voyons dans les coins de rue. Donc, moi, je crois que euh, il est temps que les gens reviennent à eux-mêmes. Nous ne sommes pas venus dans ce monde-là pour nous, nous seuls. Euh, nous sommes venus dans ce monde-là pour Dieu quand Jésus était sur la terre, on l'appelait l'ami des mendiants et des gens de mauvaise rue. Pourquoi Mauvaise vie. Pourquoi Parce que lui, il cherchait à les prêcher, pour les ramener sur la voie de Dieu. Il a dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, je suis venu pour les malades. Donc on peut être malade physiquement comme on peut être malade spirituellement. Donc euh, je crois que euh, c'est un phénomène. Vers la fin des temps, il est dit, l'amour d'un grand nombre va diminuer. Et nous sommes en train d'assister à cela. Que Dieu nous vienne en aide. Mohamed Al-Fazazi, quelle attitude face au phénomène récurrent de la mendicité au Niger euh, L'attitude face à ce phénomène, M. Mokhtar, c'est la responsabilité nous devons être euh, responsables et lutter farouchement parce que ceux qui font la mendicité sont très avancés psychologiquement. Alors il faut une lutte euh, farouche et solidaire pour que nous puissions juguler définitivement ce phénomène. Donc au niveau de la ville de Niamey, effectivement, vous avez vu depuis le 1er mai à partir du 2, il y a eu une réduction significative. Mais cela ne veut pas dire que les Mandiens ne sont pas dans la ville de Niamey. Les Mandiens sont dans la ville de Niamey. Mais ils ne sortent pas. Alors s'ils ne sortent pas, il y a une certaine, à mon sens bien sûr, une certaine complicité pour dire ne sortez pas, attendez, attendez, attendez. Sachant que ce n'est pas bien, sachant que c'est interdit par la religion musulmane, par toutes les religions d'ailleurs, et sachant que la loi nigérienne a été ferme par rapport à cette interdiction. Donc je pense que notre attitude, effectivement, c'est à ceux qui donnent de protéger même ces enfants dans la rue. Parce que quand vous jetez une pièce de 500, une pièce de 100 francs, une pièce de 25 francs, vous voyez comment les enfants courent, et même les femmes courent pour prendre cette pièce-là. Et ça crée des accidents, ça crée des morts, ça crée des handicaps dont nous n'avons pas besoin. C'est vrai, au niveau de la ville de Niamey, après la rencontre d'échange, parce que nous ont dit, c'est même la réunion qui avait recommandé de poursuivre la sensibilisation pour qu'il y ait une certaine conscientisation de ces mendiants. Mais à partir d'une certaine date, bien sûr, déjà on ne les voit pas, mais quand on va commencer le contrôle inopiné, les quelques-uns quand même iront directement dans le centre retenu à cet effet. Et même ce centre, je vous informe que c'est une réunion en commun d'accord qui a arrêté le choix de ce centre. Pour vous dire, actuellement, à la ville de Niamey, aucune décision n'est prise sans concertation de toutes les parties prenantes par rapport à une thématique. Mohamed El Fazazi, donc la ville de Niamey a prévu des centres pour accueillir euh, certaines catégories de mendiants nous avons prévu deux centres pour accueillir les mendiants non autorisés. Les mendiants autorisés, ce sont les conseils. Ils doivent retourner au niveau des lieux de culte pour faire, pour demander eh, temporairement une aide de la population. Ils peuvent aller aussi s'enregistrer au niveau des services sociaux de la municipalité et de, de, de la direction régionale de la population. Voilà, les deux services-là sont là uniquement pour recenser les personnes vulnérables, les personnes en situation effectivement de précarité. Alors, chez nous, au niveau de nos services sociaux, eux, ils remontent. Par exemple, je vous, je, je vous donne cette information. Je viens de recevoir tout de suite le représentant de l'ONG Atofik qui a donné des kits pour aider les, pour aider eh, les populations vulnérables. Vous voyez, c'est nos services sociaux qui ont les statistiques parce que les personnes en situation de vulnérabilité pointent vers, vers nos responsables pour dire que voilà ma situation et j'ai besoin d'une contribution. Et dès que la contribution arrive de façon directe euh, ou indirecte, nous connaissons déjà la base des personnes concernées. Et au niveau des lieux de culte, c'est qu'après les prières, c'est de dire que vraiment vous êtes en situation de précarité et vous avez besoin d'un soutien de la population. Mohamed Al-Fazazi, à présent, quels sont vos conseils ou recommandations pour une meilleure réglementation du phénomène de la mendicité au Niger Nous, les recommandations sont des recommandations de concertation à travers les différentes réunions, effectivement. Et tout de suite, Oustaz l'a dit, c'est un phénomène qui nous dérange. Vous partez à la Mecque, vous allez trouver des Nigériens mendiants. Vous partez au, euh, ici, au pays frontalier, c'est des Nigériens mendiants. Mais bon sang, je parle sous le contrôle du secrétaire général de, la Fédération des personnes en situation de handicap. Pourquoi les vrais handicapés ne sont pas mendiants Parce que et les vrais handicapés travaillent. Mais plutôt, moi, aujourd'hui, je mets l'accent sur deux choses en termes de recommandations. C'est que les personnes en situation de handicap, ils font le, travail manuel, le travail artisanal, que nous puissions prendre nos courage pour consommer leurs produits. Si nous consommons leurs produits, alors ils ne seront plus en situation de difficulté financière parce qu'ils fabriquent, nous achetons. Mais pourquoi si nos personnes en situation d'handicap nigériennes fabrique, nous préférons consommer ailleurs. Si nous consommons, nous, refusons cette, consommation, cette consommation locale de, nos personnes en situation d'handicap, ça veut dire que nous les poussons vers la mendicité. Ça, c'est ma première recommandation. Consommons en intégralité tous les produits fabriqués par les personnes en situation d'handicap nigériennes. Deuxièmement, c'est de donner une force vive euh, aux oulémas aux parce que nous, pour la réussite de cette activité, nous avons même fait recours aux oulémas et ils ont organisé dans les 113 mosquées des prêches par rapport à, cette question de mendicité. Et au niveau des, dix 10 églises aussi, ils ont organisé la, même chose. Donc donnons une force à nos oulémas pour que nos oulémas ne puissent plus être aussi en situation de difficulté financière et être à mesure de dire la vérité simplement la vérité dans toutes choses. En ce temps, face à ces deux aspects-là, vous voyez que nos oulémas n'ont pas besoin de, de, regarder l'autorité, mais ils sont là pour dire la vérité parce qu'ils ont une indépendance plutôt financière. Et ça, à nous de les aider, de les accompagner par rapport aux différentes activités qu'ils sont en train de mener. Pour les oulémas, par exemple, d'autres ont des agents de voyage. Pourquoi ne pas orienter les personnes prises en charge par les services dans ces agences, dans ces agences dirigées par les oulémas. Vous voyez, ça leur donne une autonomie financière et ça leur donne la capacité d'expression euh, à l'aise. Ça, c'est ma première recommandation par rapport aux deux, deux cas. par rapport à nous, euh, ville de Niamey, parce que c'est au niveau de la ville de Niamey, nous avons essayé ou nous avons décidé d'éradiquer cette question de mendicité. Nous demandons la contribution de toutes les parties prenantes. Que les gens ne se croisent pas les bras pour dire on va voir si la ville va réussir, on va voir si le président Mokhtar Mahmoudou va réussir. Non, ce n'est pas une affaire du président Mokhtar Mahmoudou, ce n'est pas une affaire de la ville seulement, c'est une affaire de toutes les parties prenantes. ONG, associations, leaders d'opinion, leaders religieux, euh, euh, tout le monde, tout le monde est concerné par cette question et nous leur demandons la contribution. Par exemple, dès que nous commençons euh, le, contrôle on commence à les amener au niveau de nos deux centres-là que j'ai dit. Le premier centre, c'est le centre d'Indunga avec une capacité de 900 personnes. Et le deuxième centre, c'est le centre réservé pour les aveugles à Kolo pour une capacité d'accueil de 100 personnes. Mais ces mendiants, pour ceux qui seront retournés chez eux et même pour ceux qui seront formés, c'est une prise en charge. C'est vraiment des dépenses exorbitantes. Donc nous avons besoin d'une synergie d'action pour réussir. Vous pouvez ne pas avoir de l'argent, mais vous avez les idées. On en a besoin. Vous pouvez ne pas avoir les idées, mais vous avez le moyen matériel, des matelas, des, des kits. C'est extrêmement intéressant pour nous et ça nous soulage et ça nous permet effectivement à Niamey de mettre fin à la mendicité. Et comme Niamey est une vitrine, dès que ça marche à Niamey, il n'y a pas de raison à ce que ça ne puisse pas marcher dans les autres villes, dans les autres régions. Voilà un peu moi ma vision par rapport à ça. Dans Firoun euh, Munkaila, euh, comment faire pour rectifier le tir rapidement Merci beaucoup. Donc, euh, déjà, je m'aligne entièrement sur les recommandations faites par Mohamed Al-Fazazi, tout en rappelant que dans le cadre de la synergie je crois que les parties prenantes, la ville de Niamey, pour le cas spécifique, doit être euh, bienveillante. Je vais vous donner un exemple récent. Malgré que je suis en face des éléments, c'est une activité de la vie. Nous avons des personnes handicapées qui se sont données à la musique. Je deux précisément que je, maîtrise bien leur euh, parcours. Le cas de celui-là qui est nommé Jazwan et de Moustoukour. Dans le cadre de l'Union africaine, ils n'ont pas été retenus, ils ont tout fait pour accéder à ces portes-là, ils ont été là-bas au niveau du, de la direction qui s'en charge, de l'agence, disons. Et il a été convenu qu'il aille faire des propositions pour que l'inclusion puisse être vraiment respectée à ce niveau-là. Ils ont seulement constaté que parmi tous les artistes qui étaient partis faire des propositions, ils étaient, leur groupe n'a pas été retenu. Alors, il y a un problème. Je me dis, même si par mérite, ils n'ont pas pu proposer quelque chose de consistant, on doit les maintenir pour juste montrer que si ceux qui connaissent Jazwan, il fait partie de ceux qui portent un handicap lourd. Même son micro, il ne peut pas le tenir. On accroche ça comme ça. Il est toujours sur son fauteuil. Alors, je pensais que l'agence devrait les retenir une façon de donner des leçons de morale aux autres personnes handicapées pour les encourager. C'est ce que nous appelons les mesures incitatives qui doivent encourager les gens. Alors, c'est pour dire que, quand ce qui concerne les personnes handicapées, c'est l'inclusion qui est la solution à tous, que ce soit au niveau scolaire. Parce que tout à l'heure, l'avenir des enfants là. Nos deux éléments ont pris des exemples très tangibles. Le cas des, eh, des personnes en incapacité visuelle, communément appelées les aveugles. Vous voyez, ça, c'était avant. Aujourd'hui, notre fédération est présidée par une personne qui ne voit pas, qui préside des réunions au niveau international, qui est sollicitée pour représenter même l'Europe à des réunions. Actuellement, le 3 juin, Inch'Allah, le président va représenter une, une euh, alliance internationale sur le handicap au nom de l'Europe, il, va, il va assister à la réunion là pour représenter l'Europe. Vous avez l'école Soli Abdurrahman. L'Union des aveugles là est en train d'implanter des écoles qu'ils appellent d'abord écoles spécialisées. Dans chaque école primaire, il y a une classe réservée pour l'apprenti, pour d'abord accommoder ces enfants-là au milieu scolaire. Lorsqu'ils arriveront à utiliser les brailles, on les met dans les classes intégratrices et on va en temps vers l'inclusion. Donc, tout simplement, tant que la société accepte à compter d'aujourd'hui à ne plus être une barrière pour les personnes handicapées, dans l'avenir, nous n'aurons pas à prendre en charge les personnes handicapées. Ça, c'est la première solution. La deuxième, c'est qu'il faut penser aux mesures de reconversion. Je ne vais pas revenir déjà sur la consommation des produits. Aujourd'hui, une fois que les investigations vont montrer que les personnes handicapées qui sont dans les rues sont là parce qu'elles n'ont pas eu de proposition, est-ce qu'elles sont, elles sont prêtes à accepter d'abandonner la mendicité pour apprendre un métier On va en trouver beaucoup. Il faut penser à cela. Nous avons déjà du soutien de l'État, ça je ne peux pas le nier par rapport à, ceux qui sont dans le milieu scolaire, l'école des sourds, UNAN. Ils ont vraiment un appui à, travers le ministère de la Population, même si ce tapis est toujours à améliorer. Donc, brèvement, euh, brièvement, en tout cas en ce qui nous concerne, c'est une garantie hein, que je vous donne. Euh, je vais parler de M. Alfazazi, que nous, nous sommes de cœur dans ce combat-là. Ça nous fait très mal de rencontrer nos, personnes, nos militants dans, dans les rues, mais je dis mais il nous faut une solidarité extrême pour pouvoir pallier à tous ces problèmes-là. Voilà le phénomène prend de l'ampleur. Euh, ce qui inquiète davantage aujourd'hui, vous l'avez rappelé, ce sont les hommes et femmes euh, qui ne souffrent d'aucun handicap et qui jouissent d'une bonne santé qui s'adonnent à la mendicité. Ils ont pour euh, des raisons qui leur sont propres choisi de tendre la main pour vivre le plus souvent sous la bannière de la religion. Et nous sommes au terme de ce forum du Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir au téléphone Mohamed Alpha Fazazi, conseiller en éducation urbaine du président de la délégation spéciale de la ville de Niamey, Danfiroun Munkaila, secrétaire général de la Fédération nigérienne des personnes handicapées, Cheikh Brahma Aboubakar Hassoumi, prédicateur en islam, président national du comité de dialogue inter- et intra-religieux et révérend Barazé Jargou de l'Alliance des missions des églises évangéliques du Niger, Amen, en même temps trésorier national du CEDIR. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 38 radios partenaires. Merci, au revoir.